bonjour, bonjour. Bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes euh, là dans notre euh, douzième jour euh, de lecture de la Bible. Nous sommes en train d'avancer par la gloire de Dieu. Et nous sommes contents vraiment de pouvoir arriver là à Jérémie chapitre 16. Donc euh, bientôt nous allons, aussi finir l'Ancien Testament. Le plus gros, on a déjà passé. Donc euh, et nous avons beaucoup appris avec la parole de Dieu. Donc euh, je vous invite à, suivre la lecture, à suivre la lecture chez vous ou sur votre portable, où vous êtes, ou même écouter sur vos écouteurs aussi au travail où vous êtes que Dieu puisse vous édifier avec sa parole et réveiller en vous, à nous tous, une foi vivante. Amen. Donc, euh, euh, nous allons prier maintenant avant de commencer la lecture. Donc, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi. Nous voulons te louer, t'exalter, te glorifier pour tout ce que tu fais. Merci de nous avoir gardés, protégés pendant toute cette nuit passée. Merci de nous avoir, Seigneur, donné la grâce euh, de te servir et de réveiller ce matin. Et tous ceux qui sont maintenant en train de quitter pour aller au travail, que tu viens les garder, les protéger, toutes euh, euh, les familles, le père des familles, le maire des familles, les élèves qui parlent à l'école, les enseignants, Père, que tu viens les protéger, que ta grâce puisse les accompagner. Oh Dieu, toutes euh, délivre-le de tous les accidents, de tous les dangers, Seigneur, en circulation. Ceux qui sont sur moto, vélo, à pied, en taxi, en voiture, Père, protège-le, garde-le, amène-le en sécurité dans son lieu de destination, dans son travail, dans son école. Père, protège-le. Donne-lui la sagesse aussi, Seigneur, pour qu'il ne soit pas euh, pris dans les erreurs, dans l'embouteillage, mais qu'il puisse être Oh Dieu patient et que la grâce de Dieu soit leur partage euh, pendant toute cette journée. Père, oh Dieu, tous les pères de famille qui sont aussi dans le chômage et qui ont besoin, Seigneur, euh, apporter à la maison la nourriture, le pain quotidien pour sa famille, pour ses enfants. Je te supplie que tu viennes les aider en ouvrant des portes, en les donnant des chantiers, en les donnant des opportunités en lui donnant Seigneur des boulots pour qu'il puisse apporter, gagner son revenu, apporter à la maison pour la gloire de ton nom. Je bénis tout un chacun, je bénis ceux qui n'ont pas que tu viens le pouvoir. Tu es notre Dieu pourvoyeur. Oh Dieu, tu es notre Dieu pourvoyeur. Tu peux, Seigneur, les bénir aujourd'hui dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père, que ta parole nous édifie, que ta parole puisse, Seigneur, entrer dans notre cœur et que nous puissions garder, Seigneur, et pratiquer selon ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, lisons Jérémie chapitre 16. La parole de l'Éternel me vient adresser en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras d'un ni fils ni fille car ici parle l'Éternel sur le fils et sur les filles, et qui naîtront enseignés sur leur mère que qui les auront enfantés, et sur leur père que les auront engendrés dans ces pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes, ni sépultures Ils seront comme du fumer sur la terre. Ils périront par le pays par la famine, et leurs cadavres euh, serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, car ainsi parle l'Éternel. n'entre pas dans une maison de d'huile, si va, n'y va, ni, va pas pleurer euh, des lamenté avec eux, car j'ai retiré à ces peuples ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde, grand et petit, mouvant dans ces pays. On ne leur donnera point de sépulture, on ne le pleurera point, on ne le fera point de distinction, d'incision. Et l'on ne se pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans les euh, deuils pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. Et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ces lieux, sous vos yeux et, vos jours, les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Lorsque tu annonceras à ces peuples toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs Quelle est notre iniquité quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils ont, ils sont allés après d'autres dieux. Ils, ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné, ils n'ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun le les penchés, les penchants de votre mauvais cœur, pour ne point euh, m'écouter. Je vous transporterai de ce pays, dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux, jour et nuit car je ne vous accorderai point de grâce. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés je les ramènerai dans leur pays euh, que j'avais donné à leur père. voici, j'envoie une multitude de pécheurs, des pécheurs, et qui, euh, des pécheurs dit l'Éternel, et ils les euh, pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et de, toutes et, de fentes des rochers, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Et je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays parce que qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. La nation viendront à toi des extrémités de la terre et elles diront, n'opérons non hérité que le mensonge et devant nos idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se de Dieu et qui ne sont pas de Dieu C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître cette foi. Et je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est éternel. Jérémie 17. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les corps de vos hôtels. Quand ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs hôtels et à leurs idoles astartées près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs tes biens, tous tes trésors, et tes hauts à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai de ton ennemi et ton Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver, arriver le bonheur. Il habite les lieux brûleux du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près de nous et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur car elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître moi, l'Éternel, prouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, comme une pétrie qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu, Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit quitter. Il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, quand ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai non plus désiré le jour du malheur. Tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet de foi. Toi, mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. « Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une toute plaie. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple par laquelle entrent et sortent les rois de Juda et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda et tout Juda et vous tous Habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils, m'ont n'ont pas arrêté l'oreille. Ils ont réduit leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point le fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entrerons par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de la et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous ne n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Jérémie chapitre 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du portier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendais dans la maison du portier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à, comme il arrive à l'argile, dans la main du portier, il en revit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces Ne puis-je pas agir envers vous comme ce portier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'agile est dans la main du portier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne coûte pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos lois et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons le péché. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose La Vierge d'Israël a commis d'horribles essais. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'argent à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternel moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je les tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-tu rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour monter la vie souviens Souviens-toi, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat, qu'on entend des cris sortis de leur maison quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont posé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds, et toi, éternel, tu connais tout leur complot pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs iniquités, n'efface pas leurs péchés de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux aux gens de ta colère Jérémie chapitre 19. Ainsi parle l'Éternel. Va, achète d'un portier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de ben qui est à l'entrée de la porte de la porterie, de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étudiera les oreilles de quiconque en entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont fait, ils y ont offert de l'assain à d'autres dieux, qu'ils ne connaissent ni eux ni leur père ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce ne sera plus appelé dauphin et vallée de Beth mais où l'on l'appellera vallée du carnage. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Judas et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai le cadavres en partie aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la mer. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'eux seront dans les l'étonnement et siffleront sur toutes ces plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, et les uns mangeront la chair des autres, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi, et tu leur diras, ainsi par l'éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple de cette, et cette ville comme on brise un vase de portier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on attendra les morts à par défaut. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai à ces lieux, dit l'Éternel, et à ses habitants, et je rendrai cette ville semblable à fait. Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Judas seront impures comme le lieu de fait. Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de, de à toute la main des cieux et on faisait des libations à d'autres dieux. Jérémie revint de fait où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser, puis il s'éteint dans le parvis de la maison de l'Éternel, et il dit à tout le peuple, Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont hérité leur coup pour ne point écouter mes paroles. Jérémie chapitre 20. Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pashu frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pachur fit sortir Jérémie de prison, et Jérémie lui dit, ce n'est pas le nom de Bachu que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor habitants C'est ainsi par l'Éternel. Voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Judas entre les mains du roi de Babylone, qui les amènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Si je livrerai je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tout, de Je livrerai tous les trésors des mois de Judas entre les mains de leurs ennemis qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pachu, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je que j'écris à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de propre et de réaliser chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévouant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs l'épouvante qui règne alentour, accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laisserait-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un euro depuis, c'est pourquoi les persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance exercée contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'éternel, louez l'éternel, car il délivre l'âme du malheur de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né et le jour où ma mère m'a enfanté. Ne sois pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il est né, un enfant mal, qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans, sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de terre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir par le sein de ma mère Que ne m'a-t-elle servi de tombeau Que n'est-elle restée éternellement enceinte Pourquoi suis-je sortie du sein maternel pour avoir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte Jérémie chapitre 21 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel lorsque le roi Sidécias lui envoya Pachu, fils de Makidja, et Sophonie, fils de Massédia, le sacrificateur, pour lui dit Consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de saint miracles afin qu'il s'éloigne de nous. Jérémie leur répondit « Vous direz à, à déciences, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec laquelle vous combattez en dehors des murailles, le roi, en dehors des murailles, les rois de Babylone et les Chaldéciens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes. Ils mourront d'une peste affreuse. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai ces déciences, moi de Juda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui sont dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en à leur vie. Et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée. Il ne les épargnera pas. Il n'aura point de pitié, point de compassion. Tu diras à ce peuple, ainsi par Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette vie mourra par l'épée, par la famine ou par la, peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous on aura la vie sauve et sa vie sera soutenue. Quand Car je dirige mes regards contre cette vie pour faire du mal et non du bien, dit l'Éternel elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone qui la brûlera par feu. Et tu diras à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel, maison de David, ainsi par l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Voici J'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel. À vous qui dites, qui descendra contre nous, qui entrera dans nos demeures. Je vous châtirai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt et il en dévorera tous les alentours. Jérémie chapitre 21. Ainsi parla l'Éternel, descendant dans la maison du roi de Juda et là, il a prononcé cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple, qui entrez par sa porte. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez le premier des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve N'abusez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, le roi assis sur le trône de David, entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Ainsi vous n'écoutez, mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine ainsi par sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galate, comme le sommet du Liban. Mais cette, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'une à l'autre. Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné. Parce qu'ils ont abandonné la l'alliance de l'Éternel, leur Dieu. Parce qu'ils se sont posténés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas pour lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus dans le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur Shalom, fils de Josias, roi de Judas, qui régnait à la part de Josias, son père, et qui est à la part de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il ne reviendra plus, mais il mourra dans le lieu où on l'amène captif. Et il ne verra plus ce pays, ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de serre et la paix en couleur rouge. Est-ce que tu rêves parce que tu as la passion pour le cèdre. Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du peuple et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là de connaître, dit l'Éternel Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda, on ne le pleura pas en disant Hélas, mon frère, hélas, ma soeur. On ne le pleura pas en disant Hélas, Seigneur, hélas, Sa Majesté. Il aura la sépulture d'un âne il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Montre sur le Liban et crie. Lève ta voix sur le bassin. Crie au niveau haut baril. car tous ceux qui t'aiment sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta postérité. Tu disais, je ne goûterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs seront la battue du vent, et ceux qui t'aiment, et ceux qui iront en captivité. C'est alors que tu, que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail. Je suis vivant, dit l'Éternel quand Shekonia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens je te jetterai toi et ta mère qui t'a enfanté dans un autre pays où vous n'êtes pas nés. Et là, vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix Pourquoi sont-ils jetés lui et sa postérité. lancé dans un pays qu'ils ne connaissent pas, terre, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas postés, car nul de ses descendants ne réussira. Et ne, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et a régné sur Judas. Jérémie chapitre 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des penseurs qui les perdront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, le jour, vient, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en toi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus devant l'Éternel. Où l'on ne dira plus. L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays, sur les prophètes. Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles simples. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines, les du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des amis, N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole Qui a pointé l'oreille à sa parole Qui l'a entendu Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli exécuter le dessein de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je leur ai parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et faire revenir de leur mauvaise voies, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de prêtres dit l'Éternel. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les mensonges que chacun de raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejeterai dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira, menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Vous direz, vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère. Car répondit l'Éternel, Quand dit l'Éternel. Mais vous ne direz plus, menace de l'Éternel, Quand la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous donnez les paroles du Dieu vivant, de l'éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'éternel Qu'a dit l'éternel Et si vous dites encore, menace de l'éternel, alors ainsi parle l'éternel. Parce que vous dites ce mot, menace de l'éternel, moi que j'ai envoyé vers vous pour dire, ne vous direz pas, ne direz pas quand que j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel. À cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle. Ils ne s'oublieront point. Jérémie chapitre 24. L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda. Les chefs de Judas des charpentiers et des serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figures, comme les figures de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figures qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, Que vois-tu, Jérémie Je répondis, Des figures. Les bonnes figures sont très bonnes, et les mauvais sont très mauvaises et ne peuvent être mangés à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figures, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les, les captifs de Judas que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai de leur avoir, et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu Ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figures qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, moi de Judas, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet de propre, de sarcasme de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Jérémie chapitre 25. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Judas la quatrième année de Joachim fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant Depuis la quatrième, depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas près d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de, de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées parce que vous n'avez point écouté ma parole, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations entour, afin de les dévouer par interdit et d'en un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ses nations seront asservies. Roi et, ses nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie à prophétiser sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grandes voix les asserviront, eux aussi, et je les rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel le Dieu d'Israël. Quand ta main cette coupe plus du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du clair que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'avait envoyé à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour enfin une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Utz, à tous les rois du pays des Philistins à Ascalon, à Gaza, à Écron et à ceux qui restent dans d'autres, à Edom, à moi et aux enfants d'Amon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dedans, à Théma, à Pouze et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe à tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois de Nab et à tous les rois de Béti, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, et aux, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi de Shechak boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, énivrez-vous, et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du clair que j'enverrai au milieu de vous. Et si le refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis. Car j'appellerai le glaive sur tous les, les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras, l'Éternel rougira dans haut de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le prix parvient jusqu'à l'extrémité de la terre. Quand l'Éternel est en dispute avec les nations, il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme des fumiers sur la terre gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre conducteur de troupeau, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberai comme un vase de pluie. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeau. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur patronage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau satanier, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Jérémie chapitre 26. Au, commence, au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire n'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voix. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé de faire à cause de la méchanceté de leur nation. Tu leur diras, ainsi par l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie. Les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je garderai cette maison comme stylo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ses paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, Tu mourras. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée peuplée d'habitants. Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de judas eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi au chef et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel va envoyer pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se répandira du mal qui a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Faites-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qui nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à tout l'assemblée du peuple, Michel de Jéréchette prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Judas, et il disait à tout le peuple de Judas, ainsi parle l'Éternel des armées. on sera lavoué comme un champ. Jérusalem deviendra un morceau de pierre et la montagne de la maison de haute forêt. Ézéchias, roi de Judas, et tout Juda nont ils pas mourir Ézéchias ne craignit-il pas l'Éternel N'implora-t-il pas l'Éternel alors l'Éternel se répandit du mal qu'il avait prononcé contre eux, et nous nous chargerions notre âme d'un si grand crime. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemadia, de Chrétien, Jérim. Il prophétisait contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tous ces veillants et tous ses chefs entendirent ces paroles, le roi chercha à mourir, et le roi à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Le roi Joachim envoya des gens en Égypte, et, Nathan, fils d'Akabor, et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uri, et l'amenèrent au roi Joachim, qui le fut mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Cependant, la mère d'Achikam, fille de Shaphan, fut avec Jérémie, qui empêcha qu'il le fût livré au peuple pour être mis à mort. Jérémie chapitre 27. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, « Roi de Judas, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi par l'Éternel, fais des liens et des jours et mets la sur ton cou. envoie le au roi dons, au roi Moi, au roi des enfants d'Amon, au roi de Dieu et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de siens roi de Judas et à qui tu donneras mes ordres pour leur mettre en disant, ainsi parle l'Éternel des Amis, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre des hommes et des animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu. Je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je lui donne aussi les animaux de champ pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et des grands voient la service. Si une nation, si, une, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne pas son coup au jour du roi de Babylone. Je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que vous, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le jour du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. J'ai dit entièrement les mêmes choses à ces déciens, moi de Judas. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui, à son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la pêche, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui, se soumettra, qui ne se soumettra pas au roi de Babylone. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent disant, voici les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt apportés de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine S'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem ne s'en aillent point à Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des colonnes de la mer, des basses et des autres ustensiles qui sont restés dans cette ville qui n'ont pas été enlevés par des Boukhadnezar, de Babylone, lorsqu'il amena captif de Jérusalem, lorsqu'il amena captifs de Jérusalem à Babylone, Sheconia fils de Joachim, roi de Juda, et de tous les grands de Juda et de Jérusalem, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai monter et revenir dans ce lieu. Jérémie chapitre 28. Dans la même année, au commencement du règne de Sédéciens, roi de Judas, le cinquième moi de la quatrième année, Anania, fils d'Azu, prophète de Gabaon, me dit dans la, dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le jour du roi de Babylone. Encore deux années, et je ferai revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a envoyé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je puiserai le jour du roi Jérémie, le prophète, répondit à Alania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse la parole que tu as prophétisée et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le pays. Les prophètes qui ont paru devant moi et avant moi, dès le temps ancien, ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes, la terre, le malheur et la peste. On dit les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès le temps ancien, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Hanania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et il le brisa. Et Hanania dit en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que dans deux années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en après que Hanania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mots. Va et dis à Hanania, ainsi par l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elle soit asservie à Nebuchadnezzar, roi de Babylon, et elle lui seront asservies, lui. Je lui donne aussi les animaux de champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le septième mois. Jérémie chapitre 29. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des nations en captivité, aux sacrificateurs et aux prophètes et à tout le peuple de Nebuchadnezzar, avait amené captif de Jérusalem à Babylone, afin que le roi Gégonia, la reine, des eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il a remis à Éliasa, fils de Chafan, et à Gemaria, fils de Virginia envoyé à Babylone par ses Sédécias, roi de au point de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il était ainsi conçu. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Cherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du signe. Car ainsi par l'Éternel des armées, des armées, le roi Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel, sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée la famine et la peste. Et je les rendrai semblables à des figures affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet de foi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie, de propre parmi les nations où je les chasserai, parce qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous captifs que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Acham, fils de Koladia, et sur des fils de Marsidia, vous qui prophétisez le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira de comme d'un sujet de malédiction parmi les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel peut être comme sciences et comme Achab que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à la lutte avec les femmes de leur prochain, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Tu seras à, tu diras à Shemaïdjan, les Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé ton nom à tout le peuple de Jérusalem. Tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, en Sophonie, fils de Maasidia, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs une lettre ainsi conçue. L'Éternel a établi sacrificateur à la place de Jéhojada, des sacrificateurs, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en prison et dans le fer. Maintenant, pourquoi réponds-tu pourquoi ne réponds-tu pas Jérémie dans la torte qui prophétise parmi vous, qui nous a envoyé dire à Babylone elle sera l'homme de la captivité. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Sophonie, le sacrificateur, lui cette lettre en présence de Jérémie, le prophète, et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. faites dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel de Shemaïda, les Chélamite. Parce que Chamédian vous prophétise que je l'ai envoyé et qu'il vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel. Je châtierai mes amis et sa postérité. Nul des siens n'habiteront au milieu de ce peuple et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ses paroles sont une révolte contre l'Éternel. Jérémie, Jérémie chapitre 30. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Vous, nous entendons des cris de foi. Nous entendons des cris de foi c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles Malheur, car ce jour est grand. Il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je en tes et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jura du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé, mais toi, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité. Je ne suis pas, je ne puis pas te laisser impuni. Ainsi par l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal C'est à cause de la multitude de tes iniquités d'un grand nombre de tels péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pilage tous ceux qui te pillent, mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel car il t'appelle la repousser. Cette Sion donne le point souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ces demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était du milieu que s'élèveront des actions de grâce. Je les et des de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois son assemblée subsistera devant moi et je châtirai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein son dominateur sortira du milieu de lui, je le ferai approcher, et il viendra vers moi, car il oserait. qui osera de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté le dessein de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Jérémie chapitre 31. En ces temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, le ténèbre se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Ephraïm. Levez-vous, montons ensemble vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob. Éclatez dans l'église à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Francis, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revit ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancèlent pas, car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme berger garde son, couteau. troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile et les brebis et les bœufs, leurs âmes seront comme jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin je rassasierai de grâce l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris en Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas adopté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, je trouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte le propre de ma jeunesse. Et Ephraim est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des singes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens vierge, Israël. Reviens vierge d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel fait une chose nouvelle sur la terre la femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce jour, l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené les captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassagirai toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où semencerai la maison d'Israël et la maison de Judas, d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, de dominer et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planer, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, c'est dents en seront agacé. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant qu'on essaie l'Éternel. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit il soulève la mer et fait mûrir et ferme ses flots, lui dont le nom est éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cesseront pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je serai toute. Alors je rejeterai toutes les, les races d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit Israël. Voici les jours viennent, dit Israël, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel depuis la tour de Hananiel jusqu'à la pente de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Yareb et fera un circuit du côté de Goat. Toute la vallée des cadavres de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruites. Jérémie chapitre 32. La parole qui fut adressée à l'ennemi de la part de l'Éternel la sixième année de Sédécien, roi de Juda, c'était la dix-huitième année de Nebuchadnezzar l'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. sciences roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit Pourquoi prophétis tu en disant Ainsi par Tonnerre, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. Sédécias, roi de Juda, chantera pas au chagrin, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Si le roi de Babylone amènera Sédécias à Babylone, le roi de Babylone amènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été annoncée en ces mots. Voici fils de ton oncle Saloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui à Anatole, car tu as le droit de l'achat pour l'acquérir et un ma mère à la de mon oncle, vient auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est, qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, quand tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetais de Hanamaël, fils de mon oncle, le chantier à et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je t'achetais, je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Neridia, fils de Mas en présence de Hanamael, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnais devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Après que j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérida, j'adressais cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, l'Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta compuissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'éternel des amis. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants, des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il dès aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le nerf et le miel. Ils sont venus, ils et ils en ont pris possession, mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta loi, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici, les terrasses s'élèvent contre la ville et la menace. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincus par l'épée, par la famine et par la peste. Ce, qui, ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins. Et la vie est levée entre les mains des chasseurs. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il bien qui soit étonnant de ma part C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel Voici, je livre cette ville entre les mains des Chardéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer et ils y mettront le feu et ils la brûleront avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël n'ont fait que mériter par le vœu de leurs dit l'Éternel. Car cette ville excite ma colère et ma fureur depuis le jour où l'on n'a bâti jusqu'à ce jour. Aussi je vais l'ôter de, devant ma face à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos. Ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés on les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la suyer. Ils ont bâti des hauts à Bâle, dans la vallée de ben Limon pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles ce que je ne leur avais point ordonné, et ils ne m'avaient point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Judas. Et maintenant, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette vie dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par paix, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle et je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur et de toute mon âme car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays, dont vous dites, c'est un désert, sans homme ni bête. Il est levé entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats on les cachera, cachetera. On prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans la ville de Judas, dans la ville de la montagne, dans la ville de la plaine et dans les villes du Midi, car j'amènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 32 la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas, que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes que je frapperai de ma colère et de ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville, voici je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur donnerai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Judas et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur donnerai toutes les iniquités. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette violence sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi par l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont vous dites, qu'il est désert, qu'il n'y a plus d'hommes, plus de paix. on entendra dans les villes de Judas et dans les rues de Jérusalem dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, des cris de réjouissance et des cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, les voix de ceux qui disent louer l'éternel des armées, car l'éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours les voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action, de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai des captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert sans homme, ni bête, et dans toutes les villes il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans la ville de Judas, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Judas. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans les pays. En ces jours-là, Judas sera sauvé Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera, David ne manquera jamais d'un successeur Ainsi, sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les lévites ne manqueront jamais devant moi je suis vous pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les enfants et faire des sacrifices dans tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. Et mon alliance, mon serviteur, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui, font mon service. De même qu'on ne peut compter la main des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, son, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut annoncée à Jérémie en ce mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi par l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et la, avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Jérémie chapitre 34. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avec toute son armée et tous les royaumes des pays sous sa domination, et tous les peuples faisant la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va et dis à Sédécias, roi de Juda, dis-lui, ainsi par l'Éternel, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il brûlera par le feu, et toi tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et levé en ses mains. Tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il parlera bouche en bouche, et tu iras à Babylone. Cela est seulement écoute la parole de l'Éternel, c'est des siens, roi de Judas. Ainsi parle l'Éternel sur toi. Tu ne mourras point par paix, tu mourras en paix. Et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, tes anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on brûlera pour toi et l'on te pleurera en disant Hélas Seigneur, car j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. Jérémie le prophète dit toutes ces paroles à ses Sédécias, de Juda à Jérusalem. Et la main du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Juda, contre Lachis et Azeka, car c'était des villes fortes qui restaient parmi les villes de Juda. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel afin que le roi Sédécias eût fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour trouver la liberté, afin que chacun renvoyât l'Hébreu son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tient plus dans la servitude le pour son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui était dans le pacte s'engageaient a renvoyé libre chacun son esclave et sa servante afin de ne plus les tenir dans la servitude. Il obéit et les renvoyait. Mais ensuite ils changèrent d'avis. Il reprit les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forçait à revenir, à redevenir esclaves et servants. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part l'Éternel en serait bon. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude et je, de servitude, et je leur ai dit, au bout de sept ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui il te servira six années, puis tu le renverras libre chez moi. Mais vos pères ne m'ont point écouté. Ils n'ont m'ont point traité l'oreille. Vous, vous avez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous avez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté, chacun pour son prochain vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous, vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à revenir, à redevenir vos esclaves et vos servantes c'est pourquoi ainsi par l'Éternel. Vous ne m'avez point obéi en privant la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famille, et je vous rendrai un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre, entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Judas et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je entre les mains de leurs ennemis. Ah, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui l'emmènent à leur vie, et leurs cadavres serviront de peinture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai désirs, voix de Judas, et ses chefs contre les mains de leurs ennemis en entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de la main du roi de Babylone qui s'est éloigné de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la et la brûleront par le feu, et je ferai des villes de Juda, un désert sans habitants. Jérémie chapitre 35. La parole fut annoncée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Judas, en Zébon. Va à la maison de Ricabite et parle, tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à Je prie Jasania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Récapite. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hannah Fils de Shidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masedia. fils de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des récabites, des coupes pleins de vin, de vin et des canis. je, et je leur dis, buvez de vin mais il répondit, nous ne pouvons pas de pain, car Jonathan, fils de Récab, notre Père nous a donné ce ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Ricam, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons sans point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vie, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons, nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Madame notre père. Lorsque Nebuchadnezzar roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit. Allons, continuons nous à Jérusalem, mais de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut... Alors la parole et l'Éternel fut adressé à Jérusalem en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez, ne recevrez-vous pas des instructions pour m'obéir, pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel on a observé des parents de Jonadab, fille de Récam, qui a donné à ses filles de ne pas boire du pain. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonathan, fils de Rita, observe l'ordre que leur a donné leur Père, et ce peuple ne doute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem pour les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison de Rékabi, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonathan, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonathan, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants ni qui se tiennent en ma présence. Jérémie chapitre 36, la quatrième année des jours jacques fils de Josias, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et il y écrit, écrira toutes les paroles que Dieu dit au sur Israël, sur Juda et sur toutes les nations. Depuis le jour où j'étais parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour, quand la maison de Judas entendra tous les mal que j'ai que j'ai pensé lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché Jérémie appela Baruch, fils de Nerijab, et Baruch écrivit dans un livre sur la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait euh, dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sur une dictée des les paroles de Dieu, de l'Éternel, aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel. Le jour euh, du, jeûne, tu les livras aussi aux oreilles euh, de tous ceux qui, tous des Judas qui seront venus euh, de leur ville Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuples. Baruch, fils de Négira, fit tout ce qu'il lui avait ordonné Jérémie, le prophète et fit dans les livres euh, des paroles, et lit dans les livres des paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, la cinquième année du Joachim, fils de euh, Josias, roi de Juda, le neuvième mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tous les peuples de Jérusalem et pour tous les peuples venus des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lit dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple dans la maison de l'Éternel, euh, dans la chambre euh, de Guémaria, fils des chefins le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Miché, fils de Guémaria, fils de chefins ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans les livres, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs. et Elishama, le secrétaire de l'Aja, fils de euh, Shamaeja, El Nathan, fils d'Akbor, Gemaria, fils de Chaphan, Sédécias, euh, fils de Anania, et tous les autres chefs. Et Michel leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait euh, dans le livre aux oreilles des peuples. Alors, euh, tous les chefs envoyaient vers Baruch, Jéhud, Jéhudi, euh, fils de Netania, fils de Shelemia, fils de Kulchi euh, pour lui dire, prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple, et viens Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et s'est rendu auprès d'eux. Il, il lui dit, euh, assis-toi et à nos oreilles. Et Baruch lit à leurs oreilles. Lorsqu'il eut entendu toutes les paroles, il se regardait avec effroi les uns les autres. Il dit à Baruch, nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Il posait encore à Baruch cette question. Dis-nous, comment tu as écrit toutes ces paroles sur sa dictée Baruch que leur répondit, il m'a dit, il m'a et de sa bouche toutes ces paroles, J'ai je les ai écrites dans ces livres avec euh, des de l'encre. Le chef dit à Baruch, va, cache-toi ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Il allait ensuite vers les rois dans la cour laissant le livre dans la chambre euh, d'Elishma. Les secrétaires, ils rapporté euh, toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya jeudi euh, pour prendre le livre. Jeudi le prit dans la chambre d'Elishama les secrétaires, il le lit aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, euh, c'était au neuvième mois. Il un brasier était allumé devant lui lorsque jeudi, il eut trois euh, ou quatre feuilles. Le roi coupa les livres avec les canifs euh, du secrétaire le jeta dans le feu euh, du brasier, où il le vit entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent euh, toutes ces paroles ne furent point effrayés, et ne déchirent point leurs vêtements. Et Nathan, euh, Béléja et Gemaria envoyaient, en, euh, avait fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre, mais il ne l'écouta pas. Le roi ordonna à Jarachmel, fils du roi, à Seraja, fils d'Aziel, et à Shelemia, fils d'Abel, euh, de saisir Baruch, les secrétaires, et Jérémie, le prophète, mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Après que le roi ait brûlé les livres contenant les paroles que Baruch avait écrites sous l'édité de Jérémie, prends, de nouveau un autre livre et dis et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans les premiers livres qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras, ainsi parle l'Éternel. Tu as brûlé ces livres en disant, pourquoi y a-t-il écrit ces paroles Le roi de Babylone viendra il détruira ce pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi ici parle l'Éternel sur Joachim, roi de, Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la euh, chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit et je, les je châtierai, lui, sa postérité, et ses serviteurs à cause de leur iniquité. Et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai euh, menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter. Jérémie prie un autre livre, il lui donna Baruch, fils de Nerija, le secrétaire. Baruch y écrit euh, sur la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Euh, beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Jérémie chapitre 37. fils de Josias, régna à la place de jeponia fils de Joachim. Il fit établir roi dans les pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays N'écoutez les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète, le roi Zédécias envoya Jical, fils de Chélénia, et Sophonie, fils de Maséja, le sacrificateur vers Jérémie le prophète pour lui dire, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Or Jérémie alla aller et venait parmi le peuple, on ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée des pharaons était sortie d'Égypte. Il est Chaléen qui a Jérusalem et ayant appris cette nouvelle, s'était retiré de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de judas que vous envoyez vers moi pour me consulter. Voici l'armée des pharaons qui était, euh, qui était en marche pour vous euh, secourir. Retourne dans son pays, en Égypte, où les Chadéens euh, reviendront. Ils attaqueront cette ville et ils les prendront et le brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusion en disant les chadéens euh, s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez, toute l'armée des chadéens que vous font des guerres, quand il ne resterait deux que deux hommes blessés, il se relèverait chacun dans sa tente, il brûlerait cette ville par le feu, pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon. Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut, à lorsqu'il fut à la, porte de Benjamin, euh, le commandant de la garde, euh, nommé Jiréja, fils de Chélénia, fils d'Anania, se trouvait là. Et il saisit Jérémie le prophète en disant Tu passes euh, aux Chaldéens Jérémie répondit C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens mais dirigeant euh, ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, les frappèrent et le mit en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car il en avait fait une prison. C'est ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les Cachot, où il resta longtemps. Le roi Zédécias euh, l'envoya chercher et interrogea secrétaire, secrètement dans sa maison. Il dit, y a-t-il une parole de la part de l'Éternel Jérémie répondit, oui. Et il ajouta, tu seras livré entre le mains du roi de Babylone Jérémie dit encore au roi Zédécias, en quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ces peuples pour que vous euh, m'avez mis en prison Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant le roi de Babylone elle ne viendra pas contre nous, contre vous, ni contre ces pays. Maintenant, écoute je te prie, ô roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorables et réussies devant toi. Elle ne me renvoya pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que j'ai ni mère. et des siens ordonna qu'on gardât Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donna chaque jour en pain des la rue des boulangers jusqu'à ce que tous les pains de la ville furent consumés. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Jérémie chapitre 38. C'était euh, chez fils de Matan, euh, Gedalia, fils de Parchur, Jikal, fils de Shelemia, et fils des Malkija, entendu les paroles de Jérémie euh, que Jérémie a adressées à tout le peuple en disant Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par le peu, par la famine ou, par la peste. Mais c'est lui qui sortira pour se rendre au, au aura la vie sauve. sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Il vivra ici par l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du pharaon, du roi de Babylone, qui la prendra. Et le chef dira au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple et leur tenant des pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne vient que son, euh, il veut que son, son malheur. Le roi siens répondit, voici, il, est entré, il, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors il prit Jérémie, le jetait euh, dans la citerne un des Malkija, fils du roi, euh, laquelle euh, s'est trouvée dans la cour de la prison. Il est descendu Jérémie avec des cordes, il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed Melech, Éthiopien et euh, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne le roi était assis à la porte de Benjamin, et Ben sortit euh, de la maison du roi et parla ainsi au roi. Au roi, mon Seigneur, cet homme a mal agi en traitant de, de la sorte Jérémie, le prophète. En les jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est car il n'y a plus de paix dans la ville. Le roi donna cet ordre à Eben Melech, l'Éthiopien. Prends ici trente hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne et Ben Melek prit avec lui les hommes et s'est rendu à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit de la boue, l'amour usé et de vieux rayons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ben Melek, Éthiopien, dit à Jérémie, mais ces lambeaux usés, ici, ayant sous des, des essais, essais, sous les cordes, et Jérémie dit ainsi, il tirait Jérémie avec les cordes et le fit monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Les rois en voyage chercher Jérémie le prophète il le vit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, j'ai une chose à te demander, ne me cache rien. Jérémie répondit à Zédécia, si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Le roi Zédécia jura secrètement à Jérémie en disant L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir et je ne, te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. Jérémie dit alors à Zédécias Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. Et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison, mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains, les mains des Chaldéens euh, qui la brûleront euh, par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leur main. Le roi Zédéchias dit à Jérémie, j'ai craint les Juifs qui ont passé au Chalbert, et j'ai craint qu'on euh, ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce qui je t'ai dit, tu t'en trouveras bien, et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Judas, seront menées au chef du roi de Babylone. Et, il et elles diront, tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retire, il se retire. Toutes les femmes, toutes tes femmes et tes enfants seront menés au chaldéen, et toi, tu n'échapperas pas à leur main. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone, et cette ville sera brûlée par le feu. siens, fils, siens, dit à Jérémie, que personne ne sache rien de ce discours, et tu ne mourras pas si les chefs apprennent que je t'ai parlé et s'ils viennent te dire, rapporte-nous ce que tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien et nous ne te ferons pas mourir. Tu leur répondras, je supplie, j'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la main de Jonathan de peur que je ne meure tous les, tous les chefs viennent auprès de Jérémie, les questionnaient. Il ne répondit entièrement comme le roi l'avait ordonné. Il gardait alors le silence et se retirait car la chose ne s'était pas répandue. Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prison de la prise de Jérusalem. Lorsque euh, Jérémie chapitre 39, lorsque Jérusalem fut prise, la neuvième année des Édésias, roi de Juda, le, dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vient avec toute son armée devant Jérusalem et en fut les sièges. Euh, onzième année des Édésias, le neuvième jour du quatrième mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avançaient et occupaient la porte du milieu. Nergal, Charetzer, Sangar, Nebu, Sarzekin, chef de eunuques, Nergal, Charetzé, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone, euh, dès que au roi de Juda, et tous les gens de guerre les eut vus, ils s'enfuient et sortit de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin euh, du roi, par la porte entre les deux murs et il prit le chemins de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens le poursuivit et atteignit ses décisions dans le plaine de Jéricho. Il le prit et le fit monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamat, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla, le fils de Zédésias, en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Judas, puis celui-ci créer les yeux à Zédésias et le fit lier avec des chaînes de reins pour l'amener à Babylone, le Chaldéen brûlait par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et il démolit les murailles de Jérusalem. Nebu Zarada, chef des gardes, et mena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville ce qui s'était rendu à lui et les restes du peuple, mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Judas quelques-uns des plus pauvres du pays, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. Nebuzaradan le roi de Babylone avait donné cet ordre au chef au sujet de Jérémie par Nebu-Zaradam, chef des gardes. Euh, prends-le, et veillez sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Nebu-Zaradam, chef des garde, ne lui chasse chef des eunuques, Nergal, Charetzer, fils des chefs des mages, et tous les chefs du roi de Babylone, envoyés chercher Jérémie dans la cour de la prison, et il le réunit à Gedalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, pour qu'il fût conduit dans sa maison. Il resta au milieu du peuple. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Melech, Éthiopien, et tu lui ici par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je veux faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour les mâles, et un nom pour les biens elles arriveront à ces jours devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas, euh, tu ne tomberas pas sous l'épée ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi dit l'Éternel. Jérémie 40. La parole que fit adresser à Jérémie de la part de, l'Éternel après que Névisarada, chef des gardes, leur envoyé, renvoyé des rabats. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié des chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on émenait mené à Babylone. Le chef des gardes envoyé chercher Jérémie lui dit L'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ses liés. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses euh, vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aimées, que tu as oh, Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas, regarde tous les pays et devant toi, va où il était euh, semblera bon et convenable d'aller. Et comme il tardait à répondre, retourne aujourd'hui, au ajouta-t-il, vers Gedalia, fils d'Achika, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda et reste avec lui parmi le peuple bien, ou bien va partout où il te conviendra d'aller. Les chefs des gardes lui donna des vivres et des présents et le congé, congédia. Jérémie alla vers Gedalia fils à Mitzpah, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans les pays. Lorsque tous les chefs euh, des groupes qui étaient dans le campagne lui appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays, Gedalia, fils d'Archicam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone. Il s'est rendu auprès de Guédalia à Savoie, Ismaël, fils de Netania, Joshana et Jonathan, fils de Kariach, euh, Seraja, fils de euh, Tahomet, le fils d'Ephraïm, de, de euh, de Netopha, et Jezania, fils de Makatit, eux et leurs hommes. Gedalia, fils d'Ashikan, fils de Shaphan, leur gira à eux à leurs hommes en disant Ne craignez pas de servir les Chaldéens, Chaldéens, demeurez dans les pays, servez les rois de Babylone et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous. Et vous faites la la récolte du vin, des fruits, des thés et de l'huile. Mettez-le dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays des Moab, chefs des Ammonites, au pays des Dons et dans tous tous les pays apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste d'un judas et qu'il leur avait donné pour gouverneur Gadalia, fils d'Archican, fils de Chafan, et tous les Juifs reviennent de tous les lieux où ils étaient dispersés. Il se rendu là, il se rendit dans le pays de Juda vers Gedalia à Mitzpah. Et il fit une abondante récolte du vin et de fruits d'été. jo fils de Kareach, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vit auprès de Gedalia à Mispa et lui dit Sais-tu que Baalim, roi des Ammonites, a changé Ismaël, fils de Netanyah a chargé euh, Ismaël, fils de Netania, de t'ôter la vie, mais Gedalia, fils d'Archicam, ne le crut point, et Joshadin, fils de Ekariach, dit secrètement à Gedalia, Mitzpah, permet que j'aille tuer Ismaël, fils de Netanyah. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie Pourquoi tous euh, ceux qui Judas semblent auprès de toi se disperseraient-ils et, le reste de Judas périrait-il Gedaliah, fils d'Archicain, répondit à Joshana, fils de Karéach, ne fais pas cela car ce que tu dis Sir Ismaël est faux. Jérémie 41. Au septième mois, Ismaël, fils de Letania, fils d'Elishama de la race royale, vient avec des crins du roi et dix hommes auprès de Gedaliah, fils d'Achikam à Là, ils mangeaient ensemble à Mispa. Alors Ismaël, fils de Netania, s'éleva avec les dix hommes dont il était accompagné. Il frappait avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Chaffin, une fille ainsi mourit, celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tient encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne ne savait rien, il arriva à Chichen, des silos et de Samarie, 80 hommes qui avaient la barbe rasée, les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. incisions. Ils portaient des offrandes et des l'encens pour le présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Netania, fils de Netania, sortit des Mitzpah au-devant d'eux. Il marchait en pleurant lorsqu'il euh, les rencontra et leur dit, venez vers Dalia, fils d'Archican. Et quand il fut au milieu de la ville, Ismaël, fils euh, de Netania, les égorgea il le jeta dans la citerne avec l'aide de gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux des hommes qui dirent à Ismaël, ne nous fais pas mourir car nous avons des, des provisions cachées dans les champs, Dieu du promet de l'orge, de l'huile et du miel. Alors il les épargna eux ne les pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tira après Guédalia est celle qu'avait construit le roi Hazar lorsqu'il craignait baal roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Netania, remplit de cadavres. Ismaël fit prisonner tous ceux qui étaient à Mitzpah. Le fils euh, du roi tous ces, ces deux peuples qui demeuraient et que Zaradam, chef des gardes, avait confié à euh, fils d'Archika, Ismaël, fils de euh, Netanya, les Éménas, captifs, est parti pour passer chez les Ammonites. Et Jochanan, fils de Kareach, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui furent informés de tous les mal qu'avait fait Ismaël, fils de Netanya. Il prit tous les hommes et se mit en marche pour attaquer Ismaël fils de Netania. Il les trouvait près des grandes eaux de Gabaon, quand tous, quand tout le peuple qui étaient avec Ismaël vit Jochanan, fils de Kareach, et tous les chefs des troupes avec lui, il a eu de la joie. Et tout le peuple d'Ismaël avait emmené de l'espace et retourna et vient se joindre à Joshanan, fils de Kareach. Mais Ismaël, fils de Netania, se sauva avec huit hommes devant Joshana et Allah chez les Ammonites. Joshana, fils de Kareach et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, prit tous les restes du peuple. Il les délivrait de main d'Ismaël, fils de Netania, lorsqu'il le menait de Mispa après avoir tué Gedaliah, fils d'Archican, homme de guerre, femme, enfant, et nuque, Joshana le ramena depuis Gabaon. Il s'est mis en marche et s'arrêtait à l'hôtellerie de qui, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens dont, il avait peur, parce qu'Ismaël, fils de Netania, avait tué Gedalia, fils d'Archicam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Jérémie, chapitre 42. Tous les chefs des troupes, Joshana, fils de Kareach, Nia, fils d'Osée, et tous les peuples, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avançaient et dit à Jérémie, le prophète, que nos, que nos supplications soient favorables reçu devant toi. Intercède en notre faveur après de l'Éternel, euh, ton Dieu, en faveur de tout ce qui reste, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme, des, euh, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre les chemins que nous devons suivre et ce que nous avons à faire Jérémie, les prophètes, leur dit, j'entends, voici, et je vois, je veux prier l'Éternel, votre Dieu, euh, selon votre demande. Et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. Et il dit à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin phare véritable et fidèle si nous ne, ferons, faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous et obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu vers qui, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Dix jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Jochanan, fils de Kariach, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, tous les peuples, depuis les plus petits jusqu'au plus grand. Il leur dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers que vous m'avez envoyé, vers que vous m'avez envoyé, pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai, je ne vous arracherai pas, car je ne pas du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous euh, pour vous sauver et vous délivrer. De sa main, je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de euh, l'Éternel votre Dieu. Et si vous euh, dites, nous ne resterons pas dans ce pays, euh, non, nous irons au pays de, de l'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain. Et c'est là que nous habiterons alors, euh, écoutez la parole de l'Éternel. Restez de, reste, de Judas. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous trouvez la, les visages pour aller, pour aller en Égypte, si vous, si vous y allez demeurer, pays que vous redoutez vous atteindra là au pays, là au pays d'Égypte. La famine que vous la famine que vous craignez s'attachera à vous. Là l'Égypte et vous y mourrez. Tout ce qui tournera le visage, tout ce qui tournera le visage pour aller en Égypte. afin de demeurer mourant par l'épée, par la famine ou pour la peste. Et nul n'échappera, ni ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ici parle l'Éternel, euh, de l'Éternel. des le Dieu d'Israël, de même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous, sur vos, si vous allez en Égypte, vous euh, serez un sujet euh, des écrations, d'épouvante, des malédictions et d'opprobre. Et vous ne verrez plus ces liens, restants des Judas. L'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte, sachez que je vous euh, l'ai défendu aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercédez en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans le où vous voulez aller pour y démarrer. Jérémie chapitre 43. Lorsque Jérémie y achevé de dire à tous les peuples toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel leur, dit, leur, leur Dieu l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils fils d'Osée, Joshena, fils de Kariach, et tous euh, ces, hommes orgueilleux, dit à, Jérémie, tout tu dis à mensonge, un mensonge, l'Éternel notre Dieu n'est à point chargé de nous dire N'allez pas en Égypte pour y démarrer, mais pour y demeurer. mais c'est Baruch, fils de Nerijah qui décide contre nous, afin de nous livrer contre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous amènent et mènent captifs en Babylone. Joshanan, fils de Kariach, tous les chefs des troupes, et tous les peuples n'obéissent point la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Et Jochanan, fils de Kareach, et tous les chefs des troupes, euh, prit tous les restes de Juda qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de judas les hommes, les femmes, les enfants, le fils du, roi et toutes les personnes qui Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissé avec Gedalia, fils d'Achikam, fils de Shephan, et aussi Jérémie, le prophète, et Baruch, fils de Nerija. Il allait au pays d'Égypte, euh, car il n'obéit pas à la voix de l'Éternel et il arrivait à Tachpaner La parole de l'Éternel fit adresser à Jérémie à Tachpaner À Tachpaner Un, ces mots, prends dans ta main des grandes pierres et cache les en présence des Juifs. Dans l'argile, tu du fou à fabrique, à, qui est à l'entrée de la maison des pharaons à Tchafané. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel euh, des armées, le Dieu d'Israël, voici j'enverrai chercher Nebuchadnezzar roi de Babylone, mon serviteur, j'ai placé son trône sur ces pierres que j'ai cachées. Et il éteindra sur son tapis sur elle. Il viendra, il frappera le pays d'Égypte à la mort. Ceux qui sont pour la mort à la captivité, ceux qui sont pour la captivité à l'épée, ceux qui sont pour l'épée je le feu aux maisons des dieux d'Égypte. Nebuchadnezzar le brûlera. Il émènera euh, captive des idoles, les idoles, il s'enveloppera du pays d'Égypte comme les bergers s'enveloppent de son vêtement, et il sortira de là, de là en paix. Il brisera les statues des berges et mèches. » au pays d'Égypte et il brûlera pour le feu euh, les maisons euh, des dieux d'Égypte. Jérémie 44. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs. Demeurez au pays d'Égypte, demeurez à Migdol, à Tchapané, à nós et au pays des Partos. En ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que je fis, je fais venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines. Il n'y a plus d'habitants à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter et Alain insensé et Alain insensé servi d'autres dieux inconnus à eux, à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que j'ai haïes mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, ils n'ont pas cessé euh, d'offrir des encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé leur ville de Juda et leur rue de Jérusalem qui ne sont plus que des ruines. Et un désert, comme on les voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, euh, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du millier de Judas, hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus euh, de vous aucun reste Pourquoi méritez-vous euh, pour les œuvres des un en offrant de aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y délérer, afin de vous faire exterminer, d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre. Avez-vous oublié les crimes de vos pères, le crime des rois de Judas, le crime de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes, commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem, ils ne se sont point humiliés Jusqu'à ce jour, ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Euh, c'est pourquoi ici parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Judas. Je prendrai les restes des Judas qui ont tourné le visage pour aller auprès d'Égypte afin de demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans les pays d'Égypte. et Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine et ils seront sujets des, des d'épouvante, des malédictions et d'opprobre. Je châtierai ceux qui demeurent, demeurent au pays d'Égypte comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Nil n'échappera, ni ne fuira parmi les restes de Judas qui sont venus pour demeurer euh, au, pays d'Égypte avec l'intention de retourner dans le pays de Judas où ils ont le désir de retourner et car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient des encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là un grand nombre et tous les peuples qui demeuraient au pays d'Égypte à Patros. Répondit ainsi à Jérémie, nous ne t'obéirons à rien de ce que tu euh, nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche au fruit de l'encens à la reine du ciel et lui fait des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par les pays, par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris, que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations. Jérémie dit alors à tous les peuples, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée euh, l'encens que vous avez brûlé dans le vide, et dans et des judas et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays, l'Éternel n'a pas pu les supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens hein, et péché contre l'Éternel parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous des judas qui êtes euh, au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce qui vous dites. Nous voulons accomplir le vœu que nous avons fait offrit de l'encens à la reine du ciel et lui fait des libations maintenant que vous avez accompli vos vœux, vos promesses. Écoutez la parole que l'Éternel vous, euh, vous tous euh, des Juda qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure, par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus évoqué par la bouche d'aucun homme de judas et dans tous les pays d'Égypte, aucun ne dira le Seigneur l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans les pays d'Égypte seront consumés par les pays, par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ce, euh, un petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tous les restes de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, sauront si ce sera euh, ma parole ou la leur qui s'accomplira. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtie et dans ces afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel, voici, je livrerai Pharaon, offre roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie. Comme j'ai livré ce roi de Judas, entre le mains de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, son ennemi qui en voulait à sa vie. Jérémie 45. La parole que Jérémie le prophète adressait à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ses paroles sous l'édite de Jérémie, la quatrième année de jacquin fils de Josias, roi de Juda, il dit, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, Malheur à moi, car l'Éternel agite les chagrins à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce qui j'ai bâti, je le détruirai. Ce qui j'ai planté, je l'arracherai sa voix tous ces pays, et toi, rechercherais-tu rechercherais-tu des grandes choses Ne les recherche pas, car voici, je veux faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, je te donnerai ta vie pour butin dans tous les liens liés où tu iras. Jérémie 46. La parole de l'Éternel qui fit adresser à Jérémie, le prophète, sur les nations, sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon le roi d'Égypte, qui était près du fleuve des Euphrates, à la Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, préparez le petit et les grands boucliers et marchez au combat. Atteler le cheval, montez cavalier, paraissez avec vos casques, polissez vos lances revêtez la cuirasse euh, que vois-je. Ils ont pu, ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont bâtis. Ils le fit sans se retourner. L'épouvante euh, est de toute part, dit l'Éternel, qui le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, qui le plus vaillant n'échappe pas ô étions sur les rives de l'Euphrate, il chancelle, il tombe. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents C'est l'Égypte. Elle avance comme les Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre je détruirai les villes, les habitants. Montez chevaux, précipitez-vous, chats, euh, qu'il se montre. Le vaillant homme, c'est ceux d'Éthiopie et des putes qui portent les boucliers. Et c'est des luttes, des luttes qui manient et tendit l'arc. Ces jours est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre du leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays des Septentrions, sur les rives de l'Euphrate, monte en Galade, prends du pume, un vierge, fille de l'Égypte, en vain tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte et tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre ils tombent tous ensemble la parole que fit adresser par l'Éternel à Jérémie, le prophète, sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper les pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publier le en Midol, publier le à Nof et à Tarshpanet dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés Ils ne tiennent pas femme, car ferme, car l'Éternel les euh, renverse. Il fait chanceler un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre et ils disent alors, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. Là, on s'écrit Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit et il laisse passer le moment. Je suis vivant, Dieu le roi, dont l'éternel désarmé le nom, comme les tabours parmi les montagnes comme les Carmel qui s'avancent dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la captivité, habitant, fille de l'Égypte, car Nof reviendra au désert, elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du cette euh, étrion, Il arrive, ces euh, mercenaires aussi sont humiliés d'elles comme des veaux euh, engraissés, engraissés. Et aux aussi, ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister, car le jour de leur malheur font sur eux les euh, de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée. Il marche contre elle avec des haches pareilles à des bûcherons. Il abatte sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait le compter. La fille d'Égypte est confuse. Elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit, voici, je vais châtier à mon euh, démon Pharaon. L'Égypte, c'est Dieu et ses rois. Pharaon, c'est qui se confie en lui. Je les livré, livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme un au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine je délivrerai ta postérité du pays où, il, elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour les troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé mais toi, j'étais, euh, je ne t'anéantirai pas, je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Jérémie 47. La parole de l'Éternel qui fit adresser à Jérémie le prophète sur le Philistin avant que Pharaon à Gaza. Ainsi parle l'Éternel, voici des eaux s'élèvent du septentrion, elles sont comme un torrent et qui déborde. Elles inondent les pays et ce qui contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent à cause du retentissement des sabots de ces puissants chevaux, du bruit de ses chats et du fracas des rues. Le père ne se tourne pas vers leurs enfants tant le mains euh, sont affaiblis parce que les jours arrivent où seront, où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servent euh, encore d'auxiliaire à Tyr et à Sidon, car l'Éternel va détruire les Philistins les restes de l'île de Caftor. Gaza est devenu chauve. Ascalon est dans le silence. Les, les restes de leur plaine, de aussi. Jusqu'à quand te ferais-tu des incisions, des incisions à et fait à épée de l'Éternel canté reposeras-tu, rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille, comme te reposeras tu L'Éternel, lui, donne ses ordres, c'est contre Ascalon et à la côté de la mer qu'il la dirige. Jérémie 48. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse, elle est prise. Milgab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab bon, on médite sa, sa perte. Alors exterminons-le du millier des nations. Toi aussi, Magne, euh, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris euh, partant de euh, Koranaïm, c'est un ravage. C'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris, car on répand de pleurs à la montée de Luchite. Des cris de détresse retentissent à la descente des Choranaïm. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert car parce que tu te confies dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris, et que mon s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Les dévastateurs entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit Donnez des ailes à Moab et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites en désert. Elles n'auront plus d'habitat. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'ordre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du, du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui me transmettent. Va transvasseront, ils videront ses vases, ils feront sauter ses, outres. Moab honte de moche? comme la maison d'Israël et honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. Comme pourrez vous dire, nous sommes des vaillants hommes des soldats prêts à combattre. Moab est ravagé, euh, ses villes montées en L'élite de, sa jeunesse est égorgée, dit le roi dont l'Éternel euh, désarmé le nom. La ruine de Moab est près euh, d'arriver. Son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez euh, vous tous qui connaissez son nom, dites comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux descend du séjour de la gloire, assis, toi sur la terre desséchée, habite, habitant, fille de Dibon, car les dévastateurs de Moab montent contre toi il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitant d'Aroer, et interroge le fuyard, euh, le réchappé demande Qu'est-il arrivé Qu'est-il arrivé Moab est confus car il est brisé, poussé des gémissements et des cris, oublié sur l'Arnaud que Moab est ravagé, les, châtiments, les châtiments est venu sur les pays de la plaine, sur Roland, sur Jatte, sur Néphate, sur dubon sur Nebo, sur Ber Plataim, sur Kirjataim, sur Begamil, euh, sur Beth sur Kerijot, sur Bodja, sur toutes les villes du pays des Moab, éloignées et, et, euh, et proches. La force des Moab est abattue et son bras est brisé, dit l'Éternel, et enivré le car il s'est levé contre l'Éternel, que Moab se roule dans son vomissement et qu'il devient aussi un objet de raillure. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de, de raillerie Avait-il donc été surpris parmi les voleurs pour euh, que tu ne parles de lui qu'en secoue la tête, abandonner les villes et demeurez dans les rochers habitants des Moab. Soyez comme les colombes qui font leur nid sur les freins sur les flancs des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altière. Et je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres néant. C'est pourquoi j'ai gémi sur Moab, bah, j'ai gémi sur tout Moab bah, on soupir euh, pour les chiens de Kir vigne de Sima, je pleure sur toi plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer. Ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer. Les dévastateurs se jetaient sur ta récolte et sur ta vantage la joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays des Moab. J'ai fait tarir de vin euh, dans le courbe. On ne foule plus pluie euh, gaillement ou pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris des bons euh, retentissants euh, jusqu'à y Et ils font entendre leur voix jusqu'à Jat depuis Soa jusqu'à Shoronaim, jusqu'à Egla car les eaux des Mirins sont aussi ravagées. Je vais infini d'un Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur le roulier et qui offre des l'encens à son Dieu. aussi mon cœur gémit comme une flotte, flotte sur Moab, bah, mon cœur gémit comme une flotte sur les gens de Kir, Kirer, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus, car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains il y a des incisions, et sur les reins des sacs, euh, sur tous les doigts des Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix dit l'Éternel, comme il est brisé, poussé des gémissements, comme Moab tourne honteusement, euh, honteusement des dos. Les dos Moab devient un objet de rail et de froid. Euh, pour tout ce qui l'environne, car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel, voici, il vole comme l'aigle, et il et euh, ses ailes sur Moab. Kérijon, est prise. Les forteresses sont emportées. Et le cœur des héros de Moab est en séjour comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple car il s'est levé contre l'Éternel la terreur, la fosse et les filets sont sur toi, habitant de Moab, dit l'Éternel. C'est lui qui fuit devant la terreur tombe euh, dans la fosse et c'est lui qui remonte de la fosse se prend au filet, car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel, à l'ombre de Esbon le fillard s'arrêta épuisé mais il sont un feu d'espoir une flamme, une flamme du millier des Sirons. Elle dévore les flaques de Moab, et les sommets de la tête de fils de tumulte, de tumulte. Malheur à toi, Moab, le peuple des que mon est, perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles euh, captives. Mais je ramènerai les captives des Moab dans la suite euh, des temps, dit l'Éternel, tel est le jugement. Jérémie 49. Ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils N'a-t-il point d'héritage Pourquoi Mal Malcom possède-t-il Gad Et son peuple habite-t-il ces villes C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir les cris de guerre contre Rabat des enfants d'Amon. Elle deviendra un morceau de ruine et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël euh, chassera ceux qui l'avaient chassé, dit l'Éternel. Pousse des gémissements car Haï est ravagé. Poussez des cris, fils des rabats. Revêtez-vous des sacs, lamentez-vous et courez ça et là le long des murailles, car Malcom s'en va en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées Ta vallée se font fille rebelle. Qui te confie, qui te confier dans tes euh, trésors Qui viendra contre toi Voici, je, veux, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Elle viendra de tous les alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne raillera, le fuyard. Mais après cela, je ramènerai le captif des enfants d'amour, dit l'Éternel, sur don. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains euh, La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents Leur sagesse s'est-elle évanouie Fuyez, tournez le tour et tirez-vous dans les cavernes habitant des, des car je fais venu euh, le malheur sur les Le temps de son châtiment, si d'un euh, vandageux viennent chez toi, ne laisse-t-il rien à grappiller? Si des voleurs viennent euh, de nuit, il n'était te dévaste que ce qu'ils peuvent pour moi, je dépouillerai Isaou, je découvrirai ses retraites et il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront, il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je le ferai vivre, et que tes hommes et qui te veuves se confient en moi. Et que te veuves se confient en moi car ici parle l'Éternel, voici ce qui ne devait pas boire la coupe, la boiront. Et toi, tu resteras impuni, tu ne resteras pas impuni, et tu les boiras, car je le jure, par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris euh, de l'Éternel une nouvelle et un message a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elle. Levez-vous pour la guerre, car voici j'étais rentré petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupe le sommet des collines, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui des aigles je t'en précipiterai, dit l'Éternel, et dont sera un objet de désolation tous ceux qui passeront près de lui seront euh, dans l'étonnement ici, flairons sur toutes ces plaines, ces plaines, comme Sodome et Gomorre et les villes voisines, et qui fut détruite, dit l'Éternel, ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici tel qu'un lion il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre les des mers fortes. Soudain, je ferai fuir donc et j'habiterai. J'établirai sur qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres et quel est le chef qui me résistera. C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre donc et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théma, certainement on les traînera comme des faibles brebis. Certainement on ravagera leur demeure au, au bruit de leur chute. La terre tremble, leur cri se fait entendre jusqu'à la mer rouge. Voici comme l'aigle il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur votre et le cœur des héros des dons euh, est en séjour comme le cœur d'une femme en travail. Sur Damar, Amat et Arpat sont confuses car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent c'est une mère en tourmente qui, ne peut se calmer. Damas est défaillante. Elle se tourne pour, fouiller et le et s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi euh, ces jeunes gens tomberont dans les rues et, tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai euh, les feux au mur de Damas et il dévorera le palais des Biadad. Sur euh, Kedah et le royaume des Astzor qui bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel, levez-vous, montez contre Kedar et détruisez le fils de l'Orient. On prendra leur tête, leur tente et leur troupeau, on enlèvera leurs pavillons, tous les bagages et leurs chameaux, et l'on jetera euh, de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à, à l'écart une demeure, habitant des Hetzor, dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous. Il a conçu un projet contre vous Levez-vous, montez contre une nation tranquille et sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte ni barre, elle habite solitaire, leurs chameaux seront au pillage. Et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents ceux qui se rasent leur coin de la barbe. Et je ferai venir le ruine de tous les côtés, dit l'Éternel. Abzon euh, le repère de chacal, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera la parole de l'Éternel qui fit adresser à Jérémie le prophète sur et au commencement du règne des Édésias, roi de Juda, ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc de sa principale force. Je ferai venir sur elle quatre vents des quatre extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents. Et il n'y aura pas une nation où n'arrivent euh, euh, des fugitifs euh, là je ferai trembler les habitants des devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans et là, et je détruirai le roi et, ses, et leur chef, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai leur captive de là, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 50. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens. Car Jérémie le prophète, par Jérémie le prophète, annonce, annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites Babylone est prise, belle est confondue, Mérodac est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées, car une nation monte contre elle du septentrion. Elle elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants. L'homme et bête fuient, s'en vont. En ces jours, en ces temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble, ils marcheront en, en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu, ils s'informeront du euh, chemin des Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus, leur berger leur égaré leur faisait erreur par les montagnes. Elle allait euh, des montagnes sur les collines, oubliant leur bercail, bercail. Tout ce qui le trouvaient les dévorait. Et leur ennemi disait, nous ne sommes point coupables, puisqu'on ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. Fuyez de Babylone, sortez des pays des Chaldéens et soyez comme des boucs, des boucs à la tête du troupeau, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude des grandes nations du pays de Septentrions. Elles se euh, rangeront en bataille contre elle et s'en empareront leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas vide. Et, dans, et la sera livré euh, au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez, bondissez comme une génisse dans l'herbe, et hennissez comme des chevaux fougueux, fougueux, fougueux. En votre mère est couverte de confusion. Celle qui vous enfantez rougit de honte Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront euh, dans l'étonnement et siffleront sur toutes ces plaines, ses plaies. Euh, rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous arches, archeurs, tirez contre elle. N'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel, Poussez de tous côtés, de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent euh, ces murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Euh, vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Exterminez des Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille au de la moisson devant les glaives destructeurs. Que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fouille vers son pays. Israël est une prémie égarée que le lion a chassé. Le roi d'Assyrie l'a dévoré les premiers, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'est pourquoi ici parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'ai châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. J'ai ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura, il aura ses pâturages du Carmel et du bassin, et son âme se rassasiera sur les montagnes d'Ephraïm et d'Angalade. Et séjour, en séjour, en ces temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Les péchés de Judas, ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste euh, que j'aurai laissé. Monte contre le pays doublement rebelle, contre ses habitants et châtie les poursuit, massacre Extermine le dit l'Éternel, et j'écoute entièrement mes ordres. Des cris de guerre étantissent dans le pays et des, le désastre est grand. Et quoi il est rompu, brisé le marteau de toute la terre. Babylone est détruite aux milliers des nations. Je t'ai tendu en piège, dis a été prise. Euh, Babylone à l'improviste. Euh, tu as été atteint, saisi, parce que tu as lutté contre l'Éternel, parce que tu as lutté contre l'Éternel. L'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des, Chal Chaldéens, euh, de toutes parts de dans Babylone, ouvrez ces greniers, Faites-y des euh, monceaux comme des tas de gerbes et détruisez, détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. Tiens tous ces taureaux qu'on euh, les égorge, malheur à eux, car le jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez le cri des filles euh, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone pour annoncer dans les dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple appelé contre Babylone euh, les, arches, euh, les archers, euh, vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle, que personne n'échappe, rendez-lui selon ses ordres, faites-lui entièrement contre elle, comme elle a fait, car elle s'est levée avec fierté contre l'Éternel, contre les saints d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans le ruine et tous les hommes de guerre périront en ce jour. dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le de ton, ton châtiment. L'orgueilleuse chancelera et tombera, et personne ne les relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Ainsi parle l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont amené captifs les retiennent et refuse de les relâcher mais leur vigueur est puissant, loin lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone, le peuple contre les Chaldéens, dit l'Éternel contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages, l'épée contre le prophète des mensonges, qu'ils soient comme des insensés, l'épée contre ses vaillants tombe, qu'ils soient consternés, l'épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle, qu'ils deviennent semblables à des femmes l'épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés, la sécheresse contre ses eaux, qu'elle tarisse, car un pays d'idoles. Ils ont tous les de leur idole. C'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals et les autruches et seront lors des mers. Il ne sera plus jamais habitée. Euh, habité, elle ne sera plus jamais peuplée. Comme Sodome et Gomorre et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera elle ne sera le séjour d'aucun homme. Voici un peuple vient de du septième, Une grande nation et des rois puissants s'élèvent euh, des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et les javelots. Ils sont cruels sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux euh, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille des Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse les saisissent comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici tel qu'un lion, il monte euh, des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, je les chasserai et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi, car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres et qui est le chef qui me résistera. C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre les pays des Chaldéens. Certainement, on les traînera comme des faibles brebis certainement ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble et un cri, et un, cri se fait entendre parmi les nations. Jérémie chapitre 51, si par l'Éternel, voici les, je fais rêver contre Babylone et contre les habitants de Chaldé, un vain destructeur j'envoie contre Babylone des venus, venus et qui la vénéreront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Qu'on l'arc contre celui qui tente son arc contre celui qui est fier de sa cuirasse. N'épargnez pas ce jeune homme, exterminez toute son armée, qu'il tombe blessé à mort dans le pays des Chaldéens. Passe, percé des coups dans les rues de Babylone, car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu de l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il, il va lui rendre selon ses œuvres Babylone était dans la main de l'Éternel, une coupe d'or qui a enivré toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations étaient comme un délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée, gémissez sur elle. Prenez du bon, du bon pour sa plaie euh, peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment était jusqu'au ciel et s'élève jusqu'au nez. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'ordre de l'Éternel notre Dieu aiguisez les flèches, saisissez le bouclier, l'Éternel a incité l'esprit du roi des Médis, des, Médis, parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son, de son temple. élevé une bannière contre le mur de Babylone, fortifier les, les postes, placés des, gardes des euh, gardes, dresser des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution et il les équite. Euh, Ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone, toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue ta cupidité est à son terme. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Oui, je te remplirai euh, d'hommes comme des sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre, et il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu le ciel les yeux par son intelligence, à savoir les eaux mouchissent dans les yeux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vin de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteur de son image taillée car ces idoles ne sont que mensonges, et il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car celui qui a, a tout formé, et Israël elle attribue de son héritage, l'éternel des armées et son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi les nations, par toi j'ai détruit les royaumes des royaumes, par toi j'ai brisé les chevaux et son cavalier, par toi j'ai brisé les chats et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et les femmes et la femme par toi, j'ai brisé les veillards et les enfants. Par toi, j'ai brisé les jeunes hommes et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé euh, les laboureurs et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Et j'ai rendu à Babylone et à tous les habitants de la chaldée. Tous les mâles qu'ils ont faits à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre, euh, j'entendrai, j'étendrai ma main sur toi, je te euh, roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière euh, dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elle, appelez contre elle le royaume euh, d'Ararat de Mini et d'Archkenas, établissez contre elle des chefs, faites avancer des chevaux comme des sauterelles et hérissés, hérissés. Préparez contre elle les nations, les rois des Médis, euh, ses gouverneurs tous ses chefs et tous les pays sous leur domination, la terre sembrale elle tremble, car les desseins de l'Éternel contre Babylone s'accomplirent. Il va faire du Babylone un désert sans habitat. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Euh, leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations, on brise les bars, les courrières se rencontrent, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés, que les passages sont envahis, les marais embrasés, embrasés par le feu et les hommes des guerres consternés, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, la fille de Babylone comme une erre dans le temps où on la foule encore un instant et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nazar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi en face vide, tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitant de Sion, que mon, sang retombe sur les habitants des Chaldées dit Jérusalem. C'est pourquoi ici parle l'Éternel, voici, je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir euh, sa source. Euh, Babylone sera un morceau de ruines, un repère de chacals un objet de désolation et de manquerie, Il n'y aura plus d'habitants. Ils rougiront ensemble comme les lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux euh, quand ils seront échauffés. Je les ferai boire et je les enivrerai, enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté puis elle s'endorma euh, dans sommeil éternel et ne se réveille plus, dit l'Éternel, je les ferai descendre comme des anneaux, des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs en, et, et chaque éprise celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise, est conquise, et quoi Babylone est détruite aux milliers de nations. La mer est montée sur Babylone, Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Sur, ville, sur ces villes sont ravagées, la terre est aride et déserte c'est un pays où personne n'habite, où n'est pas aucun homme. Je châtierai d'elle à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il engloutit et leurs nations n'enfouiront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée, sortée Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie et échappant à la colère ardente de l'Éternel, que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effraye pas. Euh, des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année se viendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit la violence régnera dans les pays et un dominateur s'élèvera contre notre dominateur. C'est pourquoi voici les jours viennent où je les idoles de Babylone et tout son pays sera couvert de honte. Tous ces mots euh, tomberont, ces morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone euh, retentiront le des joies des cieux et de la terre et de tout ce qu'il renferme, car, c'est car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera au mont d'Israël, euh, comme elle a fait tomber les morts euh, de tous les pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas euh, de, de la terre lointaine, pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Euh, nous étions confus quand nous étions l'insulte, quand nous entendions l'insulte, la honte couvrait nos visages. Quand j'ai quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai ces idoles, et dans tout son pays des blessés gémiront, quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, aux cieux, quand elle rentrait inaccessible à ses hontes forteresses, J'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel, cris, ces chapins de Babylone eut le désastre est grand dans le pays des Chaldéens, car l'Éternel ravage Babylone. Il a enfin cessé les cris retentissants, le flot eh, des dévastateurs eh, mougissent contre eh, des grandes eaux dont les bruits tumultueux sur fait entendre. Oui, euh, les dévastateurs font sur elle, sur Babylone, les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun selon son salaire. Je n'évrirai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne les réveilleront plus. Et Dieu les roi dont l'éternel des armées est le don. Ainsi parle l'Éternel des armées, les larges murailles de Babylone seront euh, renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi le peuple auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu, pour le feu. Ordre euh, donné par Jérémie le prophète à Seraja, fils de Nerija, fils de Marchésa, Lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la quatrième année du règne de Sédécias, Or, Seraja était premier euh, chambellan. Jérémie écrivant dans un livre tous les malheurs qui devraient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Seraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles et et tu diras à et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ces liens seraient détruits et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ces livres, tu y attacheras une pierre et tu les rejetteras dans l'Euphrate et tu diras ainsi parle sera et tu diras ainsi, Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle, et ils tomberont épuisés jusqu'à son les paroles de Jérémie. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Jérémie chapitre 52. Zédécias avait 21 ans lorsqu'il devient roi. Il renonce à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abutal, fille de Jérémie de Lina. Il fit ce qui est mal, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim, et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas. Il voulait rejeter de devant sa face. Zédésias se révolta contre le roi de Babylone la neuvième année du règne de Zédécias. Le dixième jour du dixième mois, le Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vient avec toute son armée contre Jérusalem. Il campait devant elle et élevant des retranchements tout autour de la ville assiégé jusqu'à la onzième année du roi Zédécias, le neuvième jour du quatrième mois. La farine était forte dans la ville. La famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la prêche fut faite à la ville et tous les et tous les gens de guerre s'enfuient et sortis de la ville pendant la nuit euh, par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que le Chadien environnait la ville. Le fiat prit le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi en tenir Zédésias dans, le dans la, les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Il saisit le roi et le fit monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays des Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger le fils de Zédécias en sa présence, il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux des Édécias et le fit lier avec des chaînes de reins. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et il le fit en prison jusqu'à en prison jusqu'au jour de sa mort. Le deuxième jour du cinquième mois, c'était le dix-neuvième année du règne de Nazar, roi de Babylone, né euh, chef des gardes au, service du roi de Babylone, vient à Jérusalem et brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toute la maison de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons euh, de quelques importances. Euh, toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef de garde démolit toutes les murailles formant euh, l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef de garde, emmena captif une partie de plus pauvres du peuple, c'est du peuple qui était demeuré dans la ville, c'est qui était rendu au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, Nebuzaradan, chef des gardes, laissait comme vigneron et comme laboureur quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisaient le un colonne de reins qui était dans la main de l'Éternel, les bassins, les, les, bases, les la mer, des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel. Et il euh, en emportait tous les reins à Babylone. Et il prit les les cendriers, les perles, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles des reins avec lesquels on faisait les services. Les chefs des gardes puis encore les bassins, euh, les brasiers, les coupes, euh, les cendriers, les cendriers, les chandeliers et les tasses, les calices ce qui était d'or et ce qui était d'argent, les deux colonnes, la mer et le euh, douze peu d'airain qui servaient de base. Et, et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel. Tous les ustensiles des avaient, avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des collines était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées l'entourait. Elle était creuse et son épée avait quatre doigts. Il avait au-dessus un château d'airain et la hauteur d'un château était de cinq coudées autour du château. Et il avait un treillis et des grenades, euh, les le des reins Il a été de même pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre des saints les chefs des gardes pris c'est Raja, le souverain sacrificateur, Sophonie, Sophonie, le second sacrificateur, les trois gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait, son, qui avait sous son commandement les gens de guerre, cet homme qui faisait partie des conseillers du roi et qui faisait, fut trouvé dans la ville le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé euh, d'enrôler le peuple du pays et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvaient dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, le prit et le conduisit vers le roi de Babylone à Ribla le roi de Babylone les frappa et le fit mourir à Ribla dans le pays des et Ainsi Judas fit emmener captif loin de son pays. Voici le peuple que Nebuchadnezzar emmena en captivité la septième année, 3023 juifs. La dix-huitième année, de Nebuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La 23e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, chef des gardes, emmena 704, 745 euh, juifs en tout, en tout 4600 personnes la, quatre la, 37e euh, année de la captivité de Joachim, roi de Juda, les 25 jours du e du 12e mois, et ville Mérodoc, Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, et les releva la tête de Joachim, roi de Juda, il le fit sortir des prisons. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône du roi qui était avec lui à Babylone. Il, lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tous les temps de sa vie le roi de Babylone pourvit constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tous les temps de sa vie. Lamentation de Jérémie. Lamentation 1. Et quoi Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses jours sont couverts de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées, et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des serves qui ne trouve point de pâture, et qui fuit sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La suie était dans les ponts de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère, ô oh, quelle arrogance chez l'ennemi. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout son peuple soupire, il recherche du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses, leurs choses précieuses pour de la nourriture afin de réanimer leur vie. Vois, Éternel, regarde comme je suis avidi. Je m'adresse à vous, à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. À celle dont a été frappée, Éternel va affliger au jour de son ardente colère D'en haut, il a lancé dans mes eaux un feu qui les dévore. Il a rendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le jour de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Judas. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux font en larmes, car il s'est éloigné de moi celui qui me consolerait, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel est envoyé contre Jacob les ennemis tour. »« Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste car j'ai été rebelle à ces ordres. Écoutez-vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis, et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont inspiré dans la ville. Ils cherchent de la nourriture afin de ramener leur vie éternelle. Regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au-dehors, pays a fait ses ravages, au-dedans la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu l'amèneras tu publieras le jour où ils seront comme moi. Que toute leur méchanceté vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Lamentation 2. Et quoi le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuage la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marche-pied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Judas. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a dans son ardente colère abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait regard. Il a répandu sa fureur comme, comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Judas de plaintes et de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Et dans sa violence colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son hôtel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main sans les avoir alentis. Il a plongé dans le deuil rempart et muraille, qui n'offre plus ensemble qu'une crise ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de roi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont mieux. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma pile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin Ils et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur père. Que dois-je te dire À quoi te comparer, fille de Jérusalem, qui trouvait de semblable à toi Et quelle consolation te donner, vieille fille de Sion, car ta plaie est grande comme la mer, qui pourra te guérir ces prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce l'ancienne cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre Toutes tes ennemis ouvrent la bouche comme toi. Ils sifflent, ils pressent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur, mur de la fille de Sion. Répands jour et nuit des torments de l'âme. Ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait point de repos. Lève-moi pousse des gémissements à l'entrée des villes de la nuit. Répand ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que les femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur. Les enfants et les veillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de la colère, tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comment à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y eut ni échappé ni survivant. Ceux que j'avais soigné et élevé, mon ennemi les a consumés. Lamentation 3. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poissons et de douleurs. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesante chère, J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas assez à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un loup en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a émué d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera de corps, car le Seigneur ne rejette pas à toujours mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole les justices humaines à la force du très haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné N'est-ce pas de la volonté du très haut que viennent les maux et les biens Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et don et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers le Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sa miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer l'accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Il ouvre la bouche contre nous. Tous ceux qui sont nos ennemis, non, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et, la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma vie. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Ceux qui sont à tort, mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, qui font de la fosse. Tu as entendu ma voix ne ferme pas l'oreille de mes soupirs, à mes cris. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie éternelle. Tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leur chanson. Tu leur donneras un salaire ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Lamentation 4. Et quoi, l'homme a perdu son éclat pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nombreux fils de Sion, estimés à l'égard de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du portier. Les chacals même présentent la mamelle et, et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue de nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mermets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de la vie de mon peuple est plus grand que celui de Soudan, détruite en un instant, sans que personne n'ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus bon que le soleil. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leurs figures était comme le saphir. Leurs aspects est plus sobre que le noir. On ne les reconnaît pas dans la rue. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim. Ils tombent exténués, privés du fruit, du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font fuir leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la vie de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur. Il a répandu son ardente colère. Il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru. Aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà le fruit des péchés de ces prophètes, des inégalités, de ces sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ils erraient il en aveugle dans les rues, souillés de sang. On ne pouvait toucher leurs vêtements. Éloignez-vous, impurs, leur criait-on. Éloignez-vous, éloignez-vous. Ne nous touchez pas. Ils sont en fuite il erre ça et là. On dit parmi les nations, ils n'auront plus leur douleur. L'Éternel les a dispersés dans sa colère. Ils ne tournent plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. On épiait le pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis. Notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Celui qui nous faisait respirer loin de l'Éternel a été pris dans leur fosse. Celui qui nous faisait respirer loin de l'Éternel a été pris dans leur fosse. Lui de qui nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Réjouis-toi, trésaille d'allégresse, fille des hommes, habitante du pays juste. Vers toi aussi passera la coupe. Tu t'énivreras et tu seras mise à nous. Fille de Sion, ton iniquité est expiée. Il ne t'enverra plus en captivité. Fille dons, il châtiera ton iniquité. Il mettra tes péchés à découvert. Lamentation, chapitre 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé Regarde, vois notre opprobre, notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre poids. nous sommes poursuivis, le vous sur le cou. Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un fou, par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains, et personne des vieillards n'a été respecté. Les jeunes hommes ont été la, les jeunes ont porté la meule. Les enfants chancelaient, les enfants chancelaient sous les fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. L'enjoint a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est c'est que les renards s'y promettent. Toi, éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours Nous abandonnerais-tu pour de longues années Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois nous aurais-tu entièrement rejeté et t'irriterais-tu contre moi jusqu'à l'essai Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1. La trentième, la trentième année, le cinquième jour du « La priez-moi, comme j'étais parmi les captifs du peuple du Kéba, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vient du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits et la pente de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils, étaient étincelaient comme de l'air poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes, à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient, étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se retournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'or tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs aigles étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi ils allait où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclats, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leurs aspects et à leur structure, ces roues semblaient être en solide, et toutes les cartes avaient la même forme. Leurs aspects et leurs structures étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante et en leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand il marchait, elle marchait. Quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous le ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre. Et ils en avaient chacun d'eux qui les couvraient chacun d'eux qui couvrait leur corps. j'entendais le bruit de leurs ailes. Quand ils marchaient, pareil au bruit, au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient. Ils laissaient tomber leurs ailes et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur terre, sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quatre choses de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône, apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'air poli, comme du feu au-dedans, duquel était ce homme et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arbre qui est dans la nuit, qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel chapitre 2. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il lui adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi eux et leur père ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quand que tu es auprès de toi des monstres et des épines et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras les paroles qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Ézéchiel chapitre 3. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche tout comme du miel. Il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue intelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant une langue obscure, une langue intelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je t'ai dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kéban et dans le milieu où ils se trouvaient. Là, je restais sept jours, stupéfait au milieu d'eux. Au bout de sept jours, les parents de l'Éternel me furent adressés en ces mots. Fils de l'homme, je, t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant « tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu as battu le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. si tu tu le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il est, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras, tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là je te parlerai. Je me levai et j'allai dans la vallée et voici la voix de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue auprès du fleuve du Kébab. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, Va t'enfermer dans ta chambre, fils de l'homme. Voici, qu'on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu les dises. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, que celui qui voudra écouter écoute, et que celui qui ne voudra pas écouter n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Ézéchiel chapitre 4 Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville Jérusalem, représente la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mais si l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leurs iniquités autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leurs iniquités 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nuit vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te retourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu ailles accomplir les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles du milieu du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture, que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à l'autre L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de hin. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras puis en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquels je les chasserai. Je dis, Ah Seigneur, voici mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai mangé qu'une bête morte ou déchirée et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, Voici, je te l'ai Voici, je te donne des excréments de bœuf au milieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Il me dit encore, Fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poing et avec angoisse. Ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau ils feront stupéfaits les uns et les autres et frappés de peur pour leurs iniquités. Ézéchiel chapitre 5 Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et penche-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux Brûle-les en un tiers dans le feu au milieu de la ville lorsque les jours du ciel seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent et je retirerai le paix derrière eux. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement et de ceux-là, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la nation d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, parle le Seigneur, l'Éternel. C'est là que cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays tour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour, car elle a méprisé mes lois, elle n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances, et, par, et pratiquer mes lois et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. À cause de toutes tes abominations, je ferai ce que je n'ai point encore fait et que je ne ferai jamais. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi et les enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi et je disperserai à tous les vents tout ce qui résistera de toi. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. Moi aussi je n'aurai point de miséricorde. Un tiers de tes de tes habitants mourront de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi et j'en disperserai un tiers à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. J'assouvirai ainsi ma colère, je ferai reposer ma fureur sur eux je me donnerai satisfaction et ils en sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma colère et répandant sur eux ma fureur. Je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent. Aux yeux de tous les passants, tu seras un sujet d'opprobre et de honte un exemple et un objet de foi pour les nations qui t'entourent. Quand j'exécuterai contre toi mes jugements avec colère, avec fureur et par des châtiments rigoureux. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donne la mort et que j'enverrai pour vous détruire, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux. Je briserai pour vous le bâton du pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi je ferai l'effort sur toi. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Ézéchiel chapitre 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elle. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous, et je détruirai vos hauts lieux. Vos hôtels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisés et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles et je disperserai vos ossements autour de vos hôtels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées et vos lieux dévastés. Vos hôtels seront délaissés et abandonnés vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations. Lorsque vous serez dispersés, en divers pays. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles, ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises à cause de toutes leurs abominations. Et ils sauront que je suis l'Éternel et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés. Je leur envoyé de tous ces mots. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Frappe de la main, frappe du pied et dit, hélas, sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël qui tomberont par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste. Celui qui sera près tombera par l'épée. Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les hommes de cette montagne, sur tout arbre vert, sous toute chaîne touffue, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles, j'étancherai ma main contre eux et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé que le désert de Dibla. Partout où ils habitent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel chapitre 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin la faim vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant la faim vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies et abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel. Un malheur, un malheur unique. Voici, il vient. La fin vient, la fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tout arrive, habitant du pays. Le peuple vient, le jour approche, jour de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde je te changerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Et voici le jour, voici il vient, le tout arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit, la violence s'élève pour servir, la verge à la méchanceté, plus rien que de leur foule bruyante de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu. Fit-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée et à cause de son iniquité, nul le conservera sa vie. En sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leur s'échappent. s'échappe. sont sur les montagnes comme les colonnes de vallées, tout gémissant, chacun suit son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se confondent en eau. Ils se saignent de sac, et la terreur les enveloppe. Tous les médailles sont confus, toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leurs iniquités. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fabriqué les images de leur abomination, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la en pillage aux mains des étrangers et comme putain aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai que ma face et l'on suivra mon sanctuaire des furieux y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants. Je et les sanctuaires seront profanés. La ruine vient ils cherchent le salut et point de salut. Ils arrivent malheur sur malheur. Un fils succède à un plus Ils demandent des visions au prophète. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseil. Le roi se désole. Le, le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes et les selon leur, je les traiterai selon leur voie, je les jugerai comme ils les périssent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel chapitre 8. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose éclatant, comme, de l'air pourri. Il étendit une forme de main et me saisit par le cheveu de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, Fils de l'homme, lève du côté du septentrion je levai mes yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'hôtel à l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations alors il me conduit à l'entrée du parvis. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël. Peigne sur la muraille tout au bout. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Janassia, fils de Chafan, se tenaient devant ces idoles. Chacun l'ascensoir à la main et il s'élevait une épaisse bouillée d'ascense et ils me dit, de l'homme, moi, tout ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, quand ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays, il et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit dans l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tchamouz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore toute abomination, plus grande que celle-ci. Et il me conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient et se prosternèrent à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à votre voix à mes oreilles, je ne les écouterai point. Ézéchiel chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, Approchez-vous, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y a au milieu d'un un homme perdu de lin et portant une étoile à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une émitoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent, et à mes oreilles il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, refusez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, Suyez la maison et remplissez de mort les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, Ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem il me répondit, « l'iniquité de la maison d'Israël et de Judas est grande, excessive, le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel le voit rien. Moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur les terres, et voici, l'homme vêtu de laine et pourtant, une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. C'est fait ce que tu m'as ordonné. Ézéchiel chapitre 10. Je regardais, et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête de chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus de quelque chose de semblable à une forme de drôle et L'Éternel dit à l'homme vertu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il, y a, et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla, et la nuit remplit le pavé intérieur. La gloire de l'Éternel se leva de dessus les chérubins et il se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de, la nuée et le pavis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix de Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins, et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Et il, il en prit et le mit dans la main de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit on voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais et voici il y avait quatre roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leurs aspects, toutes les quatre avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Pour le corps des chérubins, leurs dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis Dieu, aussi bien que les roues tout autour des quatre. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait quatre faces la face du premier était une face de chérubin, le seconde face d'homme, celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle. Les chérubins et les chérubins s'élevaient. C'étaient les animaux que j'avais vus près du feu du kebab. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes, pour s'élever de, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils se levait, elle se levait avec eux, car l'esprit des animaux était en elle. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur le chérubin. Les chérubins déployant leurs selles et levèrent de terre sous mes yeux quand ils partit accompagné des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve du Kébar. Et je reconnais que c'était des chérubins. Chacun avait quatre faces, chacun avait quatre ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leur face était semblable à celle que j'avais vue près du feu du Kéba. C'était le même aspect. C'était eux-mêmes. Chacun marchait droit devant soi. Ézéchiel chapitre 11. L'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu de Janazia, fils d'Azur et Pelatia, fils de Benadia, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Bâtis, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, il me dit, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous montre à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les maîtres dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le, parle le Seigneur éternel. Vos morts que vous avez établis au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je verrai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle. Je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez, vous tomberez par l'épée. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. La vie ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la vie au milieu d'elle. C'est vous la frontière d'Israël. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benadia, je tombai sur ma face et je me prier à votre voix. Ah Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël Et la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères, tes frères, ceux de, ta parenté et, de, et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent Restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras, ainsi par le Seigneur éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur éternel, je vous rassemblerai, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en doteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau, le livre de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et ceux et eux ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre, qu'elle s'effleurera. Une plus violente surviendra et vous pierre de grêle vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écoule. Ne vous dira-t-on pas où les plaques dont vous l'avez couverte C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres les grêles tomberont avec fureur pour détruire, pour détruire. J'abattrai la muraille que vous aviez couverte de plaques, et je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écoulera et vous périrez. Et vous périrez au milieu de ces et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui n'ont couvert de plaques, et je vous dirai plus de murailles. Et c'est en fait de ceux qui la replanteraient. Des prophètes d'Israël qui prophétisent leur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton pays, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des cousinettes pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinettes, par lesquelles vous supprimez les âmes, afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à supprimer afin qu'elles s'envolent J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par les mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracle. Je délivrerai de vos mains mon peuple et je vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel chapitre 14. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leurs regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais les je consultés par eux et pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache le regard sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi, afin toute leur, avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi y as la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de, tous de toutes vos abominations car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui monte des idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme je ferai de lui un bon signe et un sujet de sarcasme, et je terminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, il prononce une parole. C'est moi l'Éternel. Qui c'est moi l'Éternel qui aurait séduit ce prophète. Jean j'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leurs iniquités. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se suit plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se levant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut un milieu de lui, ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépleuraient, s'il en devenait un désert où personne ne passerait à cause de ses bêtises et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, un seul serait sauvé et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée pour le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui cinq hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoie la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quand j'envoie contre Jérusalem mes quatre sentiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 15. La parole de l'Éternel me fit adresser à ce mot fils de l'homme, fils de l'homme, le euh, bois de la vigne, euh, qu'a-t-il euh, de plus que tout, tout autre bois les serments qui est parmi les arbres de la forêt. prends donc de ce bois pour fabriquer un ouvrage. En tirant une cheville pour y surprendre un objet quelconque Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consomme le debout et le milieu brûle. Euh, euh, euh, sera-t-il bon à quelqu'un, à quelque chose Voici lorsqu'il était entier, on ne faisait aucun ouvrage. Combien moi, lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, pourra-t-on faire quelque chose C'est pourquoi ici parle le Seigneur l'Éternel comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour les consumer. Ainsi, je livrerai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux. Ils sont sortis du feu et le feu les consumera. Et vous aurez, euh, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand je tournerai ma face contre eux, je ferai du pays un désert parce que les gens était infidèle dit le Seigneur l'Éternel. Euh, Ézéchiel chapitre 16. Euh, La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi, par le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père était un Amoréen, et ta mère une Étienne. Euh, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Euh, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans, le, dans des langes Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule, une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les, dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé euh, près de toi, j'ai t'aperçu baigné dans ton sein et je t'ai dit vis euh, dans ton sein, Je t'ai dit, vis dans ton sein, Je t'ai multiplié euh, par euh, dix mille, dix milliers, comme les herbes des champs. Et tu pries de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Des saints se formaient euh, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. J'ai passé près de toi, je t'ai regardé et voici ton temps était là. Ton temps était là, les temps des amours. J'étendis sur toi le pain euh, de ma robe j'ai couvris ta nudité, j'ai juré et je te juré fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu et tu fis à moi. Je t'ai lavé, dans l'eau, je fis disparaître les sang qui étaient sur toi et j'ai toigné avec de l'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés et en chaussures euh, de peau teinte au bleu. J'étais teigné de fin lin et j'étais couvri de soie, des soins. J'étais paré euh, euh, d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendant à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fis pareil, euh, d'or et d'argent, et tu fis vêtu de fin de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, euh, le miel et l'huile fut ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie signe de la royauté et ta euh, euh, renommée s'est répandue par les nations à cause de ta bonté, car elle était parfaite grâce à l'éclat euh, dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu te confiais dans ta bonté, dans ta beauté, et tu te prostituais à la faveur de ton, de ton nom tu as prodigué euh, tes prostitutions à tous euh, euh, le passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements. Tu t'es fait de hauts que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs. Et tu t'es es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique euh, parure d'or et d'argent que je t'avais donné, et tu en effet de simulacre euh, d'homme auquel tu t'es euh, prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens, le pain que je t'avais donné la fleur des farines, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé. Dit le Seigneur l'Éternel, tu, as appris tes fils et tes filles que tu n'avais que tu m'avais enfanté et le, euh, le, leur à sacrifier pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce euh, pas assez de tes prostitutions euh, Tu as érogé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes les, tes abominations et de tes prostitutions, tu n'étais pas souvenir du temps de la jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sein, Après toutes euh, euh, tes méchancetés, tes méchantes actions. Malheur, malheur à toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts liés dans toutes les places à l'entrée de chaque chemin. Tu as construit tes reliés, tu as euh, déshonoré la beauté, euh, tu t'es livré, à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions, tu t'es prostitué aux Égyptiens, des voisins, au corps, tes voisins, ont au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai tendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, le fils euh, des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et euh, tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec les pays des Canaan et jusqu'à Chaldé, Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eu, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont euh, l'ordre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais euh, euh, des maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais le roulier dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari à toutes les prostituées, les prostituées on paie un salaire, mais toi, tu as fait des choses à tous tes amants, tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi de toutes, de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on n'était recherché pas et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un. Tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu es un euh, trésor, parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes les abominations idoles et à cause du sang de tes enfants que tu euh, les as donnés. Voici, j'ai rassemblerai toutes ces amants avec lesquels tu te plaisais, euh, tous ceux que tu as aimés et tous ceux ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur euh, découvrirai ta nudité, ils verront toute ta nudité. Euh, je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Et je ferai de toi une victime sanglante euh, de la fureur et de la jalousie je, te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes rouliers, Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi. Ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu, ils feront justice de toi. Aux yeux d'une multitude de femmes, je ferai cesser ainsi ton impudicité et tu ne donneras plus euh, de salaire. Euh, ma colère contre toi et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité parce que tu n'étais pas couvert, euh, souvenir de tout, euh, souvenir du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête dit le Seigneur, l'Éternel, et tu ne commettras plus les crimes avec toutes tes abominations. Voici tous ceux qui disent euh, des proverbes t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille, tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants, qui a lassé de deux euh, qui ont repousser leurs maris, leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père, un Amoréen, euh, ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est son mari avec euh, ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Euh, tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus euh, corrompu, qu'elle euh, dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le, Seigneur, l'Éternel, Sodome, Tassé et ses filles n'ont pas fait ce, ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici qu'elle a été quel a été le crime de Sodome Tassé. Elle avait de l'orgueil, elle vivait, elle vivait dans l'abondance et dans une euh, insouciante sécurité. Elle et ses filles et ses filles, elles elle ne soutenait pas la main euh, du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis, elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître. Euh, quand je vis cela, euh, Saint Marie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations étaient plus nombreuses que les, siennes. Et tu as justifié euh, tes faits par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes faits, supporte Uh, supporte uh, uh, ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels, lesquels tu t'as rendu plus abominable qu'elle et qui le font paraître plus juste que toi. Sois confuse et supporte ton opprobre puisque tu as justifié euh, tes faits. Je ramènerai leurs captifs le catif de Sodome et de ses filles, le catif de Saint-Marie et de ses filles, et tes captive au milieu de leurs, afin que tu subisses, euh, euh, ton opprobre et que tu euh, rougisses de tout ce que tu as fait en étant pour elle un sujet de consolation « Tes sœurs Sodome et ses filles reviendront à leur premier état, sa mari et ses filles reviendront à leur premier état, et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ne discourais tu pas sur ta sœur Sodome dans le temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté soit mise à nu lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de toutes ses alentours, des filles des Philistins que tu méprisais de tous côtés, tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé les serments en rompant l'alliance mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de, la, ta jeunesse. Et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte. Euh, quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, je te les donnerai pour filles, mais non à vertu de ton alliance, j'établirai une alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel afin que tu te souviennes euh, du passé et que tu rougisses afin que tu n'ouvres plus ta bouche et que tu sois confuse euh, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Donc nous allons donner une pause et bientôt nous reviendrons. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous.